Vous êtes sur le miroir de la femme. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Nous débutons cette édition avec l'actualité politique. Dans le cadre de la présentation du programme de campagne pour les élections présidentielles 2020, le candidat du PND, Staria Bazoum Mohamed, était face aux syndicats et aux acteurs de la société civile ce matin au centre de conférence internationale Mohamed Gandhi Suivons ce reportage. La campagne pour les élections présidentielles et législatives couplées du 27 décembre 2020 bat son plein au Niger. Après les opérateurs économiques, le président Bazoum Mohamed a rencontré ce vendredi les syndicats et les organisations de la société civile. Au cours de cette rencontre, le président Bazoum Mohamed a présenté son programme de campagne dit Programme de renaissance, acte 3 consolidé et avancé. L'objectif du gouvernement, c'est d'éviter les tensions avec les syndicats. L'objectif des syndicats, c'est, sinon d'éviter les tensions, à tous les moins, se faire entendre, se faire comprendre. Et lorsque les syndicats constatent de façon honnête qu'il y a une volonté réelle de prendre en compte leur vœu, les syndicats s'accommodent de toutes les situations qui peuvent résulter d'un tel état d'esprit. Alors je dis au-delà de cette considération, nous avons trois problèmes lancinants qui nous sont posés par les syndicats. Le premier problème, c'est celui des contractuels dans euh, les services sociaux, notamment de l'éducation, où ils sont un très grand nombre, et de la santé, et dans d'autres secteurs aussi, certainement. Aussi présents, certains acteurs sociaux ont saisi l'occasion pour soulever leurs préoccupations relatives à la gestion des ressources humaines et les questions sanitaires et éducatives au Niger. Nous avons tous des enfants et nous souhaitons tous que nos enfants réussissent l'éducation, ce n'est pas l'affaire des enseignants, ce n'est pas l'affaire du gouvernement. Mais notre école est en panne très grave. Il y a eu une évaluation en 2017 qui, qui l'a révélé de façon très fidèle. C'est une radioscopie qui a été faite de notre système, hein, qui l'a vraiment rendu littéralement. Et vous savez que euh, on a sorti du système que ceux qui ont 3 ou 4 sur 20, on a laissé des gens qui n'ont pas encore 5 sur 20. Ils sont là dans le système. Et ils ne font pas que de bonnes choses, soyons honnêtes. C'est un héritage comme ça que nous avons à gérer. Vous savez, malheureusement, quand ça ne marche pas dans l'éducation, le mal il ne se limite pas à l'instant où il est fait. C'est sur l'avenir surtout que on le ressent. Nous avons besoin de formules difficiles à concevoir, mais qu'on ne concevrait pas de façon bureaucratique, qu'on concevrait seulement ensemble dans le cadre d'un dialogue. Il ne peut pas être épuisé à l'occasion d'une cette euh, rencontre qu'on appellerait même état généraux de l'éducation. À mon avis, nous avons besoin de ministres très compétents à l'éducation. Nous avons besoin de cadres très compétents. Et nous avons besoin d'impliquer toute la société. Dans son exposé, le candidat du PNDS Taraya est convaincu que l'éducation demeure un des leviers clés de développement du pays pour son essor économique, politique et social et promet d'améliorer le système éducatif à tous les niveaux d'enseignement et de formation. Ama Amadou, leader du modèle FA Lumana, est sorti pour la première fois après l'invalidation de sa candidature aux élections pour se prononcer face à la presse. Ama Amadou a parlé de plusieurs sujets. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Ma candidature a été invalidée, c'est vrai, par la Cour constitutionnelle et je sais pourquoi. Et d'ailleurs, tous les Nigériens savent pourquoi. Simplement, si je suis dans la course, certains seraient très mal à l'aise pour euh, espérer réaliser la succession dynastique qu'on essaie d'instaurer dans ce pays. Mais la succession dynastique n'aura pas lieu ne peut pas vraiment. Parce que les Nigériens ne sont pas des moutons qu'on peut traîner à droite à gauche. Tout le monde sait que l'esprit de continuité que l'on développe signifie simplement que dans le cadre de cette continuité, le Niger serait condamné définitivement. Déjà, chacun au quotidien vit l'impact négatif de la manière de gérer de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais si à cette mauvaise gouvernance vient s'ajouter les comportements extravagants du candidat que l'on veut nous imposer, cela signifie tout simplement que le Niger risque d'être conduit un naufrage certain. Et je sais que les Nigériens n'accepteront pas cela, même si, pour l'essentiel, jusqu'à présent, on constate de la part de nos compatriotes une certaine passivité, une certaine résignation, un fatalisme de mauvaise loi qui risque malheureusement pour nous de conduire notre pays dans une situation encore plus difficile que celle que nous connaissons déjà. Mais Là n'est pas mon propos. Ce que je voudrais surtout dire aux militants de mon parti, que si ma candidature est invalidée, le modèle FA Lumana Africa est en lice pour les compétitions électorales, à savoir les, élections locales, régionales et législatives. Mais le Loumane Africa va être également dans la course pour les élections présidentielles parce que notre objectif reste et demeure l'alternance démocratique au Niger. Ce qui signifie que le MAN Africa ne va pas se désintéresser également des élections présidentielles. Nous prendrons nos responsabilités et nous veillerons à nous battre. Et je veux que nos militants se battent pour qu'au moment où nous ferons notre choix, nous puissions terrasser définitivement le d'Estaria. Donc, euh, pour nous, avec la force politique que nous représentons dans ce pays, que Taraya ne croit pas que les jeux sont faits et qu'on va leur ouvrir un boulevard dans lequel, allègrement, ils vont conduire à la présidence de la République leurs faux candidats. Cela n'est pas possible. Donc l'Umana se battra avec les autres partis qui ont opté pour l'alternance et soutiendra les autres partis qui sont, de, qui sont pour l'alternance pour que le changement ait lieu. La direction départementale de l'hydraulique et assainissement de l'arrondissement communal Niamey et les chefs des quartiers se sont réunis au CG9 dans le cadre du projet d'appui aux communes pour la programmation 2021 du secteur eau, hygiène et assainissement. Je vous propose de suivre un extrait. L'eau est un élément indispensable à la vie et tout être humain a droit à une eau saine et potable. C'est pour faciliter l'accès à cette ressource aux régions qui ne bénéficient pas encore que le réseau de journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement Réja en association avec WaterAid organise cette conférence de presse. Afin d'aider les leaders politiques à la prise en compte des questions de l'eau dans leurs différents programmes de société. Toutes les promesses aujourd'hui électorales se basent sur les questions de l'eau et de l'assainissement. Et je pense, à nous associer, à nous associer nous tous à cette campagne, nous allons aider des millions de personnes qui n'ont pas accès à cette ressource rare ou qui n'ont pas accès aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement. Aujourd'hui, les chiffres ne mentent pas. Nous avons à peu près la moitié de la population qui n'a pas accès à l'eau potable, malgré tous les efforts consentis. C'est l'occasion également de saluer les efforts du gouvernement du Niger et l'appui de la communauté de bailleurs de fonds qui accompagne les secteurs. En matière d'effectation, nous avons plus de 15 500 personnes qui défèquent à l'air libre. Donc la situation est très grave. C'est pourquoi nous saisissons cette opportunité des élections présidentielles pour d'abord voir les candidats. Est-ce qu'ils ont programmé l'eau au cœur des actions à promouvoir pour lutter efficacement contre la pauvreté et les agendas politiques S'ils l'ont fait, c'est vraiment de les aider à réussir les programmes et suivre les engagements avant, pendant après les élections. Le directeur de WaterAid explique ici le défi de ce programme. Le Niger, comme vous le savez, c'est un pays sahélien enclavé à plus de 80% rural, qui vivent dans le monde rural, où la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Je ne veux pas rentrer dans les chiffres, mon collègue certainement reviendra là-dessus. Environ 70% pratiquent la défécation à l'air libre la place de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans le développement d'un pays n'est plus à démontrer. Et votre aide, nous sommes convaincus qu'on ne peut pas prétendre apporter le bien-être toutes des populations sans l'eau. C'est impossible, j'allais dire. Et d'ailleurs, pour nous, c'est une question de redevabilité et de devoir. Je me rappelle encore, je vais vous raconter une anecdote. J'ai rencontré une autre euh, personnalité au Niger il y a environ deux ans, qui nous disait, quand ils étaient étudiants, le premier président de la République du Niger déclarait que l'accès à l'eau potable est plus important que l'éducation. À l'époque, il n'a jamais cru. Mais quand lui, il est venu au commandes, il lui a donné raison la bonne raisons. effectivement, l'accès à l'eau potable, à l'assainissement est plus important. C'est la base du gouvernement, comme je le disais tout à l'heure. Un pays ne peut pas prétendre se développer sans faciliter l'accès à l'eau potable à ses populations. Autre directeur de programme WaterAid, il a d'abord expliqué les raisons du lancement de cette campagne avant d'énumérer leurs souhaits. Tous les pays du monde ont adhéré aux objectifs de développement durable, comme le président la réseau de jeunesses l'a dit, dans le 6 Malheureusement, à l'allure actuelle, il nous faut des années, ça va être difficile de les atteindre à l'horizon 2030. C'est pourquoi nous voudrons profiter euh, de ce moment opportun pour non seulement vous faire comprendre le défi du secteur, mais également aussi vous donner des informations nécessaires pour que vous puissiez véritablement euh, couvrir, toute la campagne, pour que les questions de l'eau, l'hygiène de l'assainissement puissent être bien abordées, aussi au niveau local qu'au niveau régional, mais également aussi au niveau national. Nous voudrions également aussi faire appel pour qu'au niveau de vos éditions, que vous preniez en compte euh, euh, ce domaine-là nous voudrions vraiment profiter de cette campagne pour faire, pour mener un plaidoyer auprès des candidats aux différents postes euh, électifs. Notons que la campagne de la dite conférence commencera les jours à venir et une étape de questions-réponses mise à cette conférence. Nous nous excusons de cette erreur technique qu'on voulait constater. Il s'agit plutôt de la maison de la presse de Niamey qui a servi de cadre ce matin à une conférence de presse pour le lancement de la campagne de plaidoyer d'information et de sensibilisation pour une meilleure prise en compte des questions de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement dans les agendas politiques des candidats aux élections présidentielles 2020-2021. suite à l'actualité, rencontre hier après-midi à l'Onaren de Niamey, outre le ministère de la Santé, les leaders des partis politiques et les organisations syndicales sur la recrudescence de la COVID-19 au Niger, contre à Alou Mamansani et Abdelmoumouni Abdelrahman. Cette rencontre avec les leaders des partis politiques et les organisations de la société civile a pour objectif d'informer ces derniers sur la montée en flash de la maladie à coronavirus ces derniers temps dans notre pays. Autour du ministre de la Santé par intérim, plusieurs sujets ayant trait à la propagation et à la recrudescence de la COVID-19 ont été évoqués afin d'appeler les hommes politiques à s'y mettre en cette période de la campagne électorale pour transmettre nos messages et informer la population relativement à la pandémie, relativement à cette pandémie. La pandémie de Covid 19 qui se caractérise aujourd'hui par une euh, flambée de cas et qui est une euh, situation un peu particulière par rapport à la première euh, vague où elle était essentiellement constituée de malades. cette deuxième vague elle se caractérise par surtout euh, la présence des cas asymptomatiques. Ça veut dire des gens qui ne présentent aucun signe. Euh, et qui sont positifs. Ça veut dire qu'ils portent les gènes et ils constituent un danger pour les personnes qui portent des maladies. Euh, la personne va sentir comme elle est bien portante, elle porte le virus, elle peut se promener sans aller au travail, mais le grand danger, c'est qu'autour d'elle, il y a des personnes âgées il y a des personnes qui sont malades de diabète, de l'hypertension artérielle, de cancer, de tuberculose, de toutes les autres maladies invalidantes. Alors ces personnes-là sont exposées. Il faut que nous soyons conscients que dès qu'on dit que moi je suis porteur du virus, j'ai un test positif, je deviens un danger pour ces personnes qui sont autour de moi, mes parents, mes grands-parents, toutes ces personnes qui sont autour de nous, qui sont fragiles, sont exposés à faire la maladie, la forme grave, voire même la mort. Donc c'est pourquoi nous avons dit on va effectivement exposer la situation, montrer que c'est en train de prendre de l'ampleur. Plusieurs leaders et représentants des partis politiques et les organisations syndicales ont pris part à cette rencontre pour apporter leur contribution sur les mesures à prendre, surtout en cette période de grand froid. Qu'est-ce qui se cache derrière cette rencontre Parce que je trouve euh, indécent de convoquer les partis politiques au nom du CNDP pour venir parler de Covid-19 dans une période électorale. Il y a des non de mon point de vue. Et c'est le bon qui est la transparence. La maladie, elle existe, il est indéniable qu'elle existe. Et forcément, chacun doit contribuer euh, de sa façon euh, à limiter sa propagation même à l'empêcher. Mais Tant que ça a été convoqué, il aurait dû falloir nous dire quel était l'agenda. De telle sorte que, si vous avez suivi, beaucoup d'intervenants ont été circonspects, se sont posés des questions, est-ce le vrai, le véritable agenda Nous aurions souhaité que cela soit véritablement euh, pris en charge par le gouvernement parce qu'il y a des mesures également que le gouvernement pourrait prendre sans pour autant convoquer une réunion de CNDP. Voilà. Donc par exemple, euh, on peut convoquer un conseil des ministres à, travers, à travers euh, lequel on va dicter des mesures à, suivre et la population serait appelée à le faire parce que ça y va de, de, son intérêt à préserver sa propre santé. Et c'est pour en dehors de ça, et je pense bien que c'est de, de, de bonne guerre à ce que le ministère soit, soit, soit présent et qu'il explique le de, lequel se trouve euh, actuellement notre pays, franchement. Cette situation de la maladie à coronavirus mérite la contribution de tous en respectant aussi toutes les mesures barrières édictées par les autorités en charge des questions sanitaires, en respectant aussi les mesures barrières édictées par les autorités en charge des questions sanitaires la publication de fausses informations prend de plus en plus de l'ampleur dans la société. Parfois, les consommateurs des informations sur les réseaux sociaux émettent des doutes sur l'authenticité de certaines informations. Reportage à Lou sur le nouveau phénomène de fake news. En cette période électorale, ces derniers temps, les consommateurs des informations relayées sur les réseaux sociaux sont victimes de fausses informations communément appelées fake news. Une véritable stratégie pour certaines afin d'atteindre leurs objectifs et induire en erreur ces derniers pour des fins politiques. Pour bras Bra, journaliste spécialiste de fact-checking, ce phénomène de fake news a de lourdes conséquences dans la société. dans d'autres pays, euh, c'est surtout sur euh, WhatsApp et Facebook que les jeunes diffusent, ces fausses informations. Et comme vous le savez, les fake news ont plusieurs caractéristiques. Euh, Dans cette art du journalisme citoyen, certains activistes sur les réseaux sociaux ont dépensé la planche avec ce nouveau phénomène qui peut impacter sur la crédibilité de certaines publications, qui visent aussi à édifier la société. Pour les responsables de fact-checking, l'heure est à la vérification des faits. Chacun de nous a une responsabilité possession et si euh, les partagez, vous engagez aussi quelque part votre responsabilité. Et or, aujourd'hui, avec la loi de la sécurité, vous voyez un peu ce que ça a comme conséquence. Surtout si c'est euh, avec quelqu'un et que cette personne essaye de porter plainte contre vous, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, Est-ce que cette information, elle est utile C'est Est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise Maintenant, quel est son euh, impact si je la partage Qu'est-ce qu'elle euh, va avoir comme impact Donc si vraiment euh, les utilisateurs de ces réseaux sociaux essaye un temps soit euh, de se poser ces trois questions, de se dire est-ce que cette information elle est vraie avant de la partager. Donc c'est d'utiliser le bon sens. Est-ce qu'elle est vraie d'abord Deuxièmement, c'est de dire est-ce que cette information est-elle bonne ou elle est mauvaise Et troisièmement, c'est de se dire quelle est son utilité pour le public Malgré l'adoption de la loi sur la cybercriminalité au Niger, on constate une montée en flèche de fausses informations. Cependant, les autorités en charge de ces acteurs devraient prendre leurs responsabilités face à ces phénomènes qui se profilent à l'horizon pour des règlements de compte, selon les spécialistes. Point final de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos prochaines éditions. Au revoir.